Unbelievable. xaar moi, je fi dajale mooy tey journée bi avons ñu yendu fi ba 18 heures clients yi nga xam programme Clos de Bambilor parcelle viabilisée Nous avons identifié wan leen identifier wan parcelle parce que nous ngi processus libre leen parcelle ça c'était important pourquoi c'est important parce que monsieur le directeur général ça le programme est le premier programme de la Cégis. Lorsque la Cégis démarrait ce programme de commercialisation en septembre 2020, la Cégis était un bébé. La Cégis était inconnue sur le marché immobilier sénégalais. Et ces clients qui réceptionnent le terrain aujourd'hui ont fait confiance à la Cégis dès le départ. Et pour moi, pour de faire le travail conformément à nos engagements et de livrer conformément à nos engagements. Parce que nous devons avoir pour défi la livraison. C'est extrêmement important. Il y a trop de difficultés en matière foncière liées notamment au non-respect des engagements par les promoteurs ou les développeurs. Donc c'était le premier programme de la CGIS et qui a connu un succès commercial. Parce qu'en neuf mois, nous avons pu commercialiser 700 parcelles en moins d'une année. Et une leçon de cette commercialisation, en mettant des facilités de paiement et en faisant confiance à l'acquéreur, parce qu'on ne demandait aucune garantie. C'est dans les facilités, c'était un apport de 1 million de francs et le reliquat qui, qui était étalé sur un an ou deux ans. Et sur la base de la confiance, aujourd'hui, on a pratiquement moins de 5% de retard de paiement. Les clients, sur la base de ce pacte, ont respecté leur engagement. Et donc, il nous incombe, nous aussi, de respecter nos engagements. Et c'est pourquoi euh, je dois remercier la Caisse de dépôt et de consignation, qui a eu l'idée de créer la CEGIS, mais de faire confiance à la CEGIS pour se faire la main dans ce programme de commercialisation. donc nous dafa solo nous nous nous mais ambition pour continuer ci nous parce que nous nous ba nous donc tey pays, livraison phase bi phase 2 mais nous nous permettre aussi de démarrer commercialisation troisième phase parce que la phase 2 nous livrée, livré, CDC nous avons ko un mandat pour le compte de la CDC mais c'est juste qu'il y a évolué na ba phase 3 au lieu de à waa CDC nous avons un mandat dañu nous ngeen le ñu ko parce que nous avons tous nous jaay nous terrain bi continuer ñu liggéey ko continuer jaay donc aussi dañuy lancer commercialisation troisième phase sur 800 parcelles nous avons ne l'ordre suñu objectif mooy jaay ko ci livrer ko ci parce que livraison nous ñu prévoir fin premier semestre 2023 Inch'Allah. Depuis le deuxième semestre 2023 nous jox acquéreur yooyu tamit c'est 800 parcelles loolu mooy objectif parce que ce la nous sant comme ci mission boo mission CDC le financement du logement social et de standing créons Nous CGIS mu war a doxal mission Nous Nous ci taxawal CDC di doxal mission parce que avons le directeur général de la CDC nous, nous ci fait.

ambition d'un pôle résidentiel, c'est d'essayer continuer un peu pour acquérir du foncier ici directement ou par le biais de la CGIS pour que nous ayons un aménagement euh, structuré et durable. Je euh, terminer remercier aussi suñu pour presse la la nga jàppale ñun on a été un peu surpris par la grande mobilisation de la presse donc nous ngi leen di nous avons dit di wax comme ni ko Matar monsieur le maire euh, am un engagement et nous ne nii si accompagner commune bi je pense que le directeur général CDC dina le ñëwaat euh, ci waxam dit que nous ko continué à appuyer mais je préciser comme nous ko dit 104 hectares euh, la nga xam ne nii digaa CDC digaale woon na ko ak képp ku fi nekkoon loolu moom weesu na def nañ lépp conformément aux aux engagements donc c'est extrêmement important aussi de relever ça c'est vrai nous avons d'autres assiettes à acquérir mais amul lépp lenn loo xam ne ni danañ ko def biir Bambilor te nekkuñu ci en concertation avec les autorités locales les autorités religieuses et les autorités comme coutumières li ñu création d'emploi ndawu Bambilor la ñuy jiital du dem jëli ay ndaw feneen indi leen fii li ñu bëgg mooy contribuer ci développement koom-koom bi ci loolu nag maay remercier toutes les autorités monsieur le commandant de brigade gis nañu sa taxawaay ci li nga xam ne nii liggéey bi ñuy def Bambilor ci jàppal si sa jàppale gis nañ ko bu baax ñu lay remercier di la remercier si sa je remercie le, sous-préfet de l'arrondissement, je remercie le maire de Bambilor, extrêmement important, notre ami et frère Ndjenjo, pour son accompagnement dans l'intervention de la CDC et dans l'intervention de la CIS. Tous les conseillers municipaux de Bambilor, Aksirmi, Saltigui, chef de village, Khalif, tous les acteurs, nous voulons de remercier. Mais, monsieur le directeur général, permettez-moi un dernier mot de remerciement parce que l'État est une continuité. Ce projet, c'est une continuité. Aujourd'hui, la restructuration de ce projet est pour faire ce programme de parcelles viabilisées parce que les Sénégalais adhèrent à l'autoconstruction. C'est ça qui a guidé l'idée. Et je pense que ce programme et la restructuration a démarré au-delà de Tchernonian, au-delà de Faloudian qui a acquis l'assiette à Aliou Salou parce que ça, ce programme en amont, c'est lui qui l'a élaboré et qui l'a pensé. Et c'est important si on en est aujourd'hui d'avoir un mot pour Aliou salle parce que c'est une idée qui est généreuse, une idée qui est porteuse de développement. C'est aussi le lieu de remercier Cheikh Ahmed qui a appuyé parce que nous avons insisté en tant que commercialisateur auprès de la CDC pour qu'elle insiste auprès du viabilisateur et de l'adjectif et de CACO pour qu'on livre, parce que c'est ça la crédibilité de ces c'est ça la crédibilité de la CDC, c'est de prendre des engagements et c'est de les respecter. Donc c'est le lieu de le remercier. C'est aussi le lieu de vous remercier, parce que lorsqu'on a fait une séance de travail en début de semaine, spontanément, sans que je vous le dise, vous avez dit, rapport, quelle est la situation pour que les clients puissent passer dès la semaine prochaine chez le notaire et disposer de leur titre foncier. Et vous avez instruit instantanément la vos directions pour lever toutes les contraintes pour permettre aux acquéreurs de disposer de leur titre foncier dans les plus brefs délais. Et ça, c'est un pragmatisme et c'est quelque chose que je dois saluer. Je vous remercie de votre Pour que c'est juste Bagnanek, Dakar, Sénégalais sont le Kouaï, mais du Dakar rek la ko soxlaa soxla na ko ci bépp gox goxaat bi nekk ci biir réew mi nañ ci góor góor góorgóorlu ba finalement ñu dégg ñu fu ne ci biir Sénégal te yàlla mën na ko ma rafetlu nag liggéey bi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo ñu gungee ci projet bu mel nii mooy entreprise SRT ak CAF e. def nañ ko vraiment ci anam yi nga xam ne ak acquéreurs yi nee nañ daal doy na seen xel vraiment li ñu gis doy na leen donc mais ñaan yàlla ñu continuer collaboration bu mel noonu te bu soobee yàlla noonu day mun demee di sant ki nga xamé tay tey gunge nañu tamit ci walu sécurité ak tamit prise de possession bi nga xamné dalal na xelu ñi nga xamné ñoo fi dëkk ëllëg mooy euh, commandant de brigade bi di nuyu tamit ñi nga xamné ñoo fi nekkal euh, taskatu xibaar yëpp donc euh, lu ma ci jiitale directeur général APS dina nekk nit bu nga xam ne ràññee naa ko sama xarit boobu la di remercier tamit ñi nga xam ne ñooy ay partenaires u

ndax Sénégal dañoo tàmm di ànd bu neexee waaye bu naqaree ku nekk war la war la ginnaaw maam góor dafa nekk particulier ku nga xam ne dama ko xamee woon ci eh, waa kër Maktar Ba ba léegi nag moom moo tax Maktar Ba wéetu maa ngi lay bu baax di la gërëm di di di li ma bëggoon Assane man nga wax ko Ndianjo Bambilor dafa nekk léegi lu particulier ci biir démarche su CEDIS ndax dañ dañ fa am jaatigi bu baax

mooy wutuñ fi xaalis parce que bu doon loolu bu ñu jaayee parcelles isso njëg yi puisque sénégalais li ñu gungee pour wutal leen ay toit nañ ci gën a góorgóorlu donc lii laa amoon pour wax leen